Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont relayés par nos 52 radios partenaires et cette télévision de l'ensemble du pays. Des programmes aussi disponibles sur notre site internet www.studiokalangou.org, notre page Facebook Studio Kalangu. Bienvenue dans ce forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des solutions aux problèmes que vous vous posez régulièrement. Le thème de ce soir porte sur les enfants atteints de la trisomie 21 au Niger, quelle prise en charge Selon les spécialistes de la santé, la trisomie 21, aussi connue sous le nom de syndrome de Down, est une anomalie elle se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement de l'enfant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est estimé que la prévalence du syndrome de Down est comprise entre 1 sur 1000 et 1 sur 1100 naissances et environ 3000 à 3500 enfants naissent avec cette anomalie. La trisomie 21 est peu connue dans nos sociétés mais aussi réelle chez certains enfants. Cette anomalie génétique est aujourd'hui une préoccupation pour les parents. Alors, comment se présente la trisomie 21 Quelles sont les causes et les signes cliniques quelle est la situation des malades de la trisomie 21 au Niger Quelle prise en charge Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Amadou Wali, présidente de l'association Vivre avec la trisomie et aussi mère d'une enfant donc atteinte de cette anomalie. Bonsoir Madame Amadou Wali Fati. Bonsoir Madame. Maman Bachir. Vous êtes médecin et membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale, la SUSAS. Bonsoir, euh, Maman Bachir. Bonsoir, Fatih. Et Moussa Abdou, vous êtes euh, psychologue. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Je commence donc avec euh, notre médecin Maman Bachara. Qu'est-ce qu'on entend par trisomie 21 et quelles sont les causes et La trisomie 21, comme vous l'avez dit en introduction, c'est une anomalie génétique, autrefois appelée mongolisme. Donc, euh, comme toute euh, anomalie génétique, c'est lié au gène même de l'individu. Donc, chaque personne, chaque individu a des cellules et au sein des différentes cellules de l'organisme, il y a ce qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui transmet l'information génétique. Donc ces ADN sont regroupés en chromosomes au sein des différentes cellules de l'organisme. Chaque individu a deux types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les cellules somatiques et les cellules germinales. Donc ces cellules somatiques ont chacune 46 chromosomes, 23 paires que l'individu reçoit des deux parents. Donc euh, les cellules germinales, et ils ont 23 chromosomes seulement. Donc c'est les 23 du père et les 23 de la mère qui vont constituer les 46 paires du chromosome au niveau des cellules de l'organisme. Donc la trisomie 21, comme son nom l'indique, elle est liée au niveau du chromosome numéro 21. Donc au lieu que l'individu ait 46 chromosomes, il doit y avoir 3 chromosomes numéro 21, d'où son nom trisomie 21. Donc c'est un autre chromosome en plus dans le numéro 21. Alors euh, comment peut-on savoir qu'un enfant est né trisomique Les signes cliniques Bon, d'abord, avant même la naissance, mhm. il y a des examens qu'on peut faire pour euh, détecter cette pathologie, cette anomalie génétique, mhm. notamment à l'échographie. Il y a des signes qui peuvent permettre de diagnostiquer cette euh, maladie avant même la naissance. Mhm. Il y a aussi des tests de biologie cellulaire qu'on peut faire pour détecter cette euh, pathologie. Maintenant, à la naissance, il y a des signes cliniques qui sont là, qui caractérisent cette euh, maladie. Notamment, euh, à la naissance, l'enfant il a une hypotonie musculaire. Mhm. Les muscles, comme si les muscles ne sont pas bien développés, ça mhm. c'est le premier signe. Mhm. Il y a la malformation au niveau du visage, le visage mongoloïde comme on, l'appelle. Il y a les les oreilles qui peuvent être un peu plus bas, insérées à la nuque qui est plate. Mhm. Tout ça, là, c'est des signes cliniques de cette euh, pathologie, mhm. cette euh, malformation, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce que la trisomie à 21 est une maladie Oui, c'est une maladie, mais plutôt une malformation mhm. parce que c'est une malformation du gène. Moussa Abdou, vous êtes euh, psychologue. Est-ce que vous avez d'autres informations à ajouter par rapport donc à, cette anomalie, la trisomie 21 et effectivement, je voudrais ajouter le cas où euh, le docteur a évoqué que c'est une malformation, c'est une maladie, donc on peut le mettre dans le registre mhm. d'une maladie. Mais le concept qui fait en sorte que on ne peut pas guérir, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas guérir. Mhm. Donc si on ne peut pas le guérir, donc euh, je pense qu'on peut éviter de parler de maladie pour euh, vraiment venir à un stade d'handicap, que c'est un handicap qui survient chez l'enfant, donc euh, dès à la naissance, mais on n'a aucune possibilité de guérison. Et c'est des enfants, comme il dit, qui se ressemblent beaucoup. Quand on les voit, ils ont presque les mêmes visages. Ils peuvent ressembler à leurs parents, mais quand même, le plus grand trait se retrouve, il se retrouve entre eux, qui est lié à ce que le docteur venait de dire euh, cette anomalie au niveau du monde 21. 21. Maintenant, sur l'aspect psychologique, humeur, mhm. quand on voit ces enfants-là, c'est des enfants qui sont presque toujours joyeux. Et c'est ça surtout leur point mhm. fort. Ils sont souriants, <laughs> tout le temps <laughs> heureuses et tout le temps qui se rapprochent, mhm. même si, si c'est un étranger, ça ne les gêne pas, ils se familiarisent très rapidement avec eux et ils sont un peu vraiment eh, très comiques. Et quand, même on est détressé, quand on les rencontre souvent, on serait obligé de sourire un peu. Donc c'est ça leur point fort vraiment. Madame Amadou Fatiwali, vous êtes présidente de l'association Vivre avec la trisomie. Veuillez donc euh, nous présenter brièvement votre structure. Avant de répondre à votre question, madame, permettez-moi de vous témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance au nom de notre société Vivre avec la trisomie 21 pour l'invitation que vous nous avez adressée. L'association Vivre avec la trisomie 21 est une association nigérienne donc, euh, qui a pour mission principale d'améliorer l'état de santé et la condition de vie des enfants atteints de la trisomie 21 au Niger. Pour réussir notre mission, nous avons choisi deux champs d'action, donc à savoir l'éducation et la sensibilisation, l'assistance et la prise en charge des enfants trisomiques que la devise de l'association. Vivre avec la trisomie 21, éducation, autonomie, insertion. Mm-hmm. Madame Amadou Fatiwali, vous êtes aussi euh, la mère d'une fille atteinte donc de cette anomalie. Quel âge euh, a votre fille Asia ah, euh, est née le 18 octobre 1988. Donc, quand elle est née, à la maternité, on ne m'a rien dit. Arrivée à la maison, curieusement, j'ai ouvert le carnet de santé. Bon, chaque fois, c'est l'APGAR qui me tique. J'ai regardé son APGAR sur le carnet, c'est marqué 6-10. J'ai dit, ah, donc y a une anomalie. Mon mhm. enfant là a une anomalie. Juste après le baptême, je me suis rendue à la clinique de la prosanté, clinique prosanté voir le, la pédiatre, docteur Swad, pour lui présenter le carnet et l'enfant. Elle me dit que ah, c'est un enfant qui a des problèmes, mais elle ne va pas vite marcher, elle ne va pas vite grandir, elle ne va pas vite parler. Elle ne m'a pas expliqué au fond ce que c'est. Mais je n'ai pas cessé de contacter, de rencontrer des médecins. J'ai mhm. rencontré plus de 20 médecins, docteur Didier, des pédiatres, des médecins généralistes, des spécialistes. Tout ça pour le cas de mon enfant, pour voir comment c'est. Donc c'est après que je suis que c'est vraiment un enfant mongol, comme on disait. Mhm. Mais je sais pas cessé, puisque d'autres me disaient qu'ils ont des problèmes cardiaques, ils ont des problèmes. J'ai fait le problème cardiaque, il n'a pas, pas, pas le problème cardiaque. Donc euh, le truc, c'est a la langue qui est trop dans la bouche, donc elle tire la langue. Mhm. Hein, tout. Donc j'ai commencé à faire des suivis, des examens, tout et tout. Les médecins m'ont donné des conseils de, faire, euh, de, prendre des couleurs frappantes pour ces objets, de les jouer, et même ses habits. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est avec ça qu'elle a continué à s'asseoir, à marcher, à parler. Alors, euh, comment vous vivez donc euh, le handicap de, votre fille elle a, elle a 23 ans. Elle a 23 mhm. Vraiment, je n'ai pas de problème, puisque j'ai sensibilisé ses frères et sœurs hein, avec les conseils que les médecins m'ont donnés. J'ai sensibilisé la famille. J'ai sensibilisé mon entourage. Hein? Ou dans le quartier, au début, quand elle a commencé à sortir, on dit que c'est ah, c'est folle comme moi, ah, j'ai dit non, mm-hmm. j'ai fait de maison en maison pour dire qu'elle n'est pas folle. Donc j'ai fait la sensibilisation de mon entourage du quartier, mm-hmm. dans la maison même. Sa soeur, il y a 10 ans d'intervalle entre sa soeur qu'elle seconde. Donc, euh, comme elle fait le journalisme, je l'ai obligée à faire sa soutenance sur la trisomie 21. Mm-hmm. Et elle a fait sa soutenance sur la trisomie 21. Et avec ça, quand elle a commencé à faire les recherches, Malheureusement qu'au Niger, il n'y a même pas un document mhm. ou une, un service qu'on peut avoir des, recherches, approfondies sur, la trisomie. Mhm. Vous voyez Donc, quand elle a fait la, sa soutenance sur ça, ça a marché. Parce que je vois que c'est une maladie qui est cachée. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et nous, chez les Africains, on dit que c'est un sort. Hein? Une malédiction. Une malédiction. Oh, c'est pas ça. Donc, vraiment, c'est avec ça que les gens ont su que vraiment, beaucoup de parents m'ont approché en ce mm-hmm. temps-là. Mm-hmm. Bon, on a même fait une association, par mes parents et amis des enfants en déficience intellectuelle, mais affaire des femmes, ça n'a pas marché après. Ah, alors, oui. J'ai continué à me battre mm-hmm. pour pouvoir avoir rencontré les mères qui ont des enfants. C'est suite à ça qu'on a créer cette association. Alors, et eh, Hassia, mm. comment donc vit-elle euh, ce handicap Vraiment, elle n'a pas de problème, Parce que quand ses soeurs vont au mariage, aux cérémonies, elle va avec ses soeurs. Je sors moi-même avec elle. Et vraiment, maintenant, elle est cousine de toute la famille, mm-hmm. même ses oncles, même ses tantes. Hein? Elle n'a pas de problème. Mm-hmm. Elle s'exprime normalement. Mm-hmm. Elle fait tout ce que maintenant, elle, fait le, elle me fait le ménage elle fait sa lessive elle-même, elle, s'occupe de ses neveux et ses nièces. Hein? Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Alors, euh, Moussa Abdou, vous êtes euh, psychologue, euh, vous travaillez aussi à l'hôpital national de Niamey. Oui, j'ai été à l'hôpital national de Niamey depuis 2003. depuis 2003. Mhm. Et précisément en 2010, j'ai commencé à m'impliquer, en tout cas fortement, dans la prise en charge des enfants et vivant avec une déficience intellectuelle. Donc, parmi lesquels je, recevais aussi plusieurs trisomiques. Mhm. Comme euh, Madame la Présidente l'avait dit, et c'est vrai, en termes de statistiques, mhm. sur la déficience intellectuelle en général, il n'y avait pas trop de statistiques, il n'y avait pas trop de documents. Mais à partir de 2012, là, en tout cas, moi, à mon niveau, j'ai commencé à avoir euh, des statistiques et à avoir des documents. Bon, si des gens n'ont pas pu m'approcher, bon, sinon, je travaille depuis 2010 avec, euh, avec eux. Donc. Alors, euh, comment se présente donc la situation de la trisomie 21 quand vous fréquentez les centres de santé donc, euh, les parents, effectivement, amènent leurs enfants pour, surtout, surtout pour la déficience intellectuelle, parce que chez les trisomiques 21, il y a toujours cet aspect de déficience. Mhm. Donc, ils n'ont pas une autonomie. Et c'est ça la plus grande inquiétude des parents parce que chaque parent veut assez que son enfant soit un jour autonome, avec vraiment une situation aussi confortable. Mhm. Mais malheureusement, on trouve que chez eux, ils ont ce problème d'autonomie. Mhm. L'objectif principal, c'est d'agir pour leur donner une certaine autonomie. Parce que plus ils n'ont pas de rééducation n'ont pas de suivi et plus leur situation se complique mhm. au fur et à mesure mhm. que leur âge avance. Mhm. Donc c'est pourquoi c'est vraiment intéressant d'agir pour les aider. Et les mères en font autant parce que la présidente, si elle arrive à leur permettre de pouvoir euh, faire la lessive elle-même, c'est déjà une grande autonomie, c'est déjà une avancée. Donc si elle n'a pas travaillé, cela ne pourrait pas arriver il y a beaucoup de cas où les parents les ont délaissés. Et dans ce sens-là, ils ne pourront pas faire autant de choses. Ils sont seulement là, ils ne mhm. peuvent que manger et puis rester. Donc c'est ça qui complique un peu la situation. Donc nous, chez nous, on n'avait pas un cadre spécifique pour ça. Donc autant là où on fait la consultation adulte, c'est là où on les recevait aussi. Mhm. Bon, avec euh, des petits matériels que nous avons à notre disposition. Mhm. Donc, on leur donnait des séances au moins trois fois par semaine. Et même les trois fois par semaine, là, c'est difficile pour les parents, le déplacement. Ah il y a des parents qui n'arrivent pas à faire ces déplacements. Et surtout que le résultat n'est pas très, très visible. Mm, mm, Donc, il faut passer des années. Mm. <clears throat> pour euh, pouvoir vraiment euh, acquérir certains résultats. Mhm. Bon, ça aussi, il y a des parents qui n'arrivent pas à supporter mhm. cela, tantôt comme eh, Madame la Présidente le disait, leur interprétation sociale, mhm. où on peut dire que l'enfant a été échangé. Donc c'est un enfant échangé par le diable et en ce sens-là, donc il n'y avait rien à faire. Il n'y a, plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir à faire, bon, sauf si on va tourner vers les choses traditionnelles qu'aujourd'hui nous avons abandonnées. Mhm. Bon, avant, on disait que on les amène au bord du fleuve et là, la mère la dépose avec des sacrifices. Bon, l'enfant disparaît. Souvent, je ne sais pas si un autre réapparaît ou bien l'enfant disparaît <laughs> seulement. <laughs> Bon, là, je ne sais pas si c'est un système de liquidation pour faire disparaître la personne. <laughs> J'ai eu une mère qui s'est approchée de moi. Elle me dit que avant, elle transportait son enfant de Bukotia à l'hôpital pour la rééducation. Mhm. Sa grand-mère a dit à son fils, au mari de la femme, de ne pas continuer à gaspiller son argent, d'amener l'enfant là au bord du fleuve avec une chicote. C'est un génie du fleuve. Quand on va la chicoter, l'enfant va rejoindre, ses, ses, parents, parents là-bas. Mhm. Voilà, quand elle était, mais je pleurais le jour-là. Mm. Je lui ai demandé, ton mari sera à la maison avec ses parents vers quelle heure Elle m'a dit, le dimanche vers 14h. J'ai accompagné la dame pour voir chez elle d'abord. Donc j'ai préparé ma fille. Le dimanche à 14h, je me suis je suis partie. Je suis rentrée, que je suis rentrée avec Hassia, ma fille, les gens regardaient Hassia comme ça. Mm. Ils regardaient comme ça. Je demandais la femme, je suis rentrée chez elle, j'ai trouvé son mari. J'ai parlé avec son mari. Il m'a dit, madame, pardon, vous pouvez expliquer ça à ma mère et mes, frères et soeurs. Mhm. J'ai dit, il n'y a pas de problème. De partout rejoindre sa mère dans sa chambre avec les frères et les soeurs. Je les ai expliqués. Mhm. C'est Wallah, madame, c'est le jour-là que sa belle famille a commencé à prendre l'enfant, à toucher l'enfant. Même toucher l'enfant. Toucher, c'est sa mère seule. Moussa Abdou, à un moment, vous gérez un centre donc, euh, qui s'occupe euh, de ces enfants, alors euh, que ce centre n'est plus fonctionnel. Qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce que les parents n'inscrivent pas leurs enfants Oui, au départ, mm. c'était effectivement quand j'ai recevé les enfants à mm-hmm. l'hôpital national mm. et j'avais en tout cas le nombre à croire. Et j'avais plusieurs enfants, plus de 12 enfants qui venaient. Mm-hmm. Donc s'il faut faire trois séances à chaque enfant par semaine, mhm. c'était ce n'était pas possible. Mhm. Et là, j'ai suggéré aux parents qu'on crée une association que nous avons nommée Association des mères des enfants déficients intellectuels. Mhm. Et donc, nous avons très vite eu l'agrément avec, en tout cas, l'effort des parents. Nous avons eu l'agrément, nous avons pu ouvrir un centre qu'on appelle Centre Amélie et qui a fonctionné de 2014 à 2016, mais malheureusement qui, comme euh, la présidente disait la femme à faire des femmes. Donc <laughs> ça a fait que la situation s'était un peu compliquée, mm-hmm. on ne s'était pas compris. Donc euh, du coup, euh, il y avait eu des choses. Donc on a suspendu pendant deux ans. Mm-hmm. J'ai encore revu quelques parents. J'ai dit, bon, maintenant, il faut impliquer tout le monde, mm-hmm. y compris les mères et les pères. Nous avons encore rouvert le centre, mais malheureusement, et les parents, en tout cas, c'est vrai, il faut, dans notre contexte socio-économique, ce n'est pas facile la prise en charge pour un mm. parent. Parce que déjà, avec la scolarité des autres enfants qui mm-hmm. sont là, il faut mettre un minimum de 500 000 francs par an. Mm-hmm. Ça, c'est quand on ne cherche rien derrière tout cela. Ou moi-même, je n'ai pas de salaire dans ça c'est uniquement le fonctionnement, la prise en charge des enfants. Mm. C'est cher. C'est cher. Donc vraiment, aucun parent, en tout cas, c'est difficile pour les parents d'honorer ça. Mm-hmm. Et là, ça a fait en sorte que, bon, j'ai eu des difficultés. J'ai mm-hmm. encore refermé le centre. Mm-hmm. Mais toujours, il y a des mères euh, qui sont derrière, qui veulent assez qu'il y ait des centres. Bon, quand j'ai appris vraiment la, l'association Vivre avec la trisomie 21, j'étais très heureux mhm. parce que vraiment c'était ça que je voulais entendre. Et en dehors de ça, il faudrait aussi que l'État s'implique fortement. Mhm. L'État s'implique fortement parce que une association, c'est vrai, c'est un investissement. Tout le monde doit s'investir. Mhm. Mais ce n'est pas si facile pour les parents de s'investir pleinement tant que, en tout cas, il n'y a pas eh, une main forte derrière, ça peut être l'État, ça peut être des grandes structures, en tout cas, qui les soutiennent, ils vont toujours avoir des difficultés parce que ce n'est pas facile. Passons à présent à la deuxième partie de cette émission consacrée à la prise en charge de la trisomie 21 au Niger. Maman Bachir, vous l'avez expliqué dans votre intervention que ce sont les parents qui transmettent au moment de la conception 46 chromosomes qui constituent par ailleurs un soubassement génétique. Alors, peut-on détecter la trisomie chez le fœtus euh, dès le début de la grossesse Et avant même la naissance, donc en consultation prénatale, il y a des pays où le test pour la détection de la trisomie 21 est systématique. Mm-hmm. Ici au Niger, ce n'est pas encore systématique lors de la consultation prénatale, mhm. mais toujours est-il dit que ça peut être détecté avant la naissance. En faisant des échographies. Il y a l'échographie. À travers l'échographie, mhm. c'est les malformations euh, relatives à cette euh, pathologie qu'on peut détecter. Mhm. Et, mais aussi, il y a des tests de biologie cellulaire qu'on peut faire. Donc, en prélevant, il y a des cellules même dans les liquides amniotiques ou bien au niveau du placenta qu'on peut prélever, faire ce qu'on appelle un cariotype, mhm. et ça permet de détecter la trisomie 21. Et à quel moment de la grossesse est est conseillé donc euh, de faire euh, cet examen L'examen, il est conseillé de, faire ces différents examens mhm. à, tout moment de la grossesse. Mhm. Il n'y a pas un moment où c'est dit c'est au premier mois, deuxième mois ou au neuvième mois qu'il faut le faire. Donc, euh, à n'importe quel moment de la grossesse, on peut faire le test pour détecter mhm. la trisomie 21. Mhm. Alors, si le bébé est déclaré trisomique avant l'accouchement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas D'abord, euh, le suivi de cette euh, anomalie, mhm. c'est un suivi pluridisciplinaire. Donc, si un enfant est déclaré trisomique, j'ai je dit tantôt, au Niger, ce n'est pas encore systématique. Mais dès qu'un enfant est déclaré trisomique euh, atteint de cette euh, anomalie, c'est l'accompagnement d'abord des parents, parce que là, c'est avant la naissance. Mhm. Donc, c'est d'accompagner les parents. Psychologiquement, il y a des spécialistes qui sont là. Mhm. préparer les, parents pour l'accueil de cet enfant qui va naître. Mhm. Donc c'est à ça que ça consiste, avant la naissance de l'enfant. Mhm. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'existe pas un traitement contre la trisomie. Oui, c'est une malformation, il n'y a pas un traitement. On ne peut pas guérir de la trisomie 21. Mhm. Voilà. Mhm. Madame Amadou Fatiwali, au cours donc euh, de, la grossesse, est-ce que vous avez fait des examens échographiques ou bien aucun agent de santé vous a informé Non, on ne m'a pas demandé, je n'ai pas hmm. fait. Moussa Abdou, vous êtes euh, psychologue. Comment se présente la prise en charge de cette anomalie ici au Niger Ici au Niger, euh, c'est comme euh, vous l'avez compris, mhm. il n'y avait pas de test à faire d'abord parce que de par l'interprétation sociale, on n'y pense pas que c'est lié à une malformation chromosomique. Mhm. Dans la littérature, on en a ça, ceux qui sont instruits en savent, mais dans la pensée sociale, on n'en a pas cette idée-là, ça ne nous frappe pas. De telle sorte que quand une mère est en grossesse, on n'y pense même pas à faire de tests, on n'y pense même pas si l'enfant peut être déformé ou bien quelque chose. Donc, ça ne nous vient pas de faire le mm. test comme ça. Mm. Et c'est ce qui fait que, eh, donc, euh, il faut à la naissance pour mm-hmm. comprendre que l'enfant est il y a des difficultés d'adaptation. Bon, après, même au début, parce que à la naissance directement, les signes ne peuvent pas apparaître, tout de mm. suite, on ne peut pas remarquer parce qu'il faut attendre 9 mois ou 12 mois pour voir si l'enfant arrive à mm. acquérir la position assise, quelque chose comme ça. Et jusqu'à 3 ans, souvent, des mères, rares sont les mères qui s'inquiètent, ils continuent à... Donc, nous, nous recevons le plus souvent à partir de 5-7 ans, quand l'enfant atteint tel âge scolaire mhm. et que donc au niveau de l'apprentissage, ça ne marchait pas. Donc c'est en ce moment on commence à recevoir euh, les, enfants. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que toutes les disciplines doivent y intervenir parce que cet handicap entraîne beaucoup de difficultés chez l'enfant. Mhm. Donc il y a des problèmes au niveau de l'ORL. Et comme docteur l'avait dit, problème de tonus, donc mm. l'hypertonie des muscles, donc la langue est flasque. Mm-hmm. Donc euh, articuler les mots, ça va être difficile. Les muscles sont relâchés un peu partout. Et donc même pour prendre un crayon pour écrire, la mobilité, elle est difficile. Mm-hmm. Et la dextérité pour pouvoir manipuler des choses, c'est difficile chez eux. Mm-hmm. Donc la prise en charge doit alors aller vers dans ce sens pour permettre à l'enfant de pouvoir réaliser ses activités et eh, pratiques et même intellectuelles. Donc avec la déficience, il y a un retard. Donc un retard dans l'acquisition de savoir, dans l'apprentissage. Donc ils ne peuvent pas apprendre les choses au même rythme que l'enfant, en tout cas les enfants normaux. Donc, il faut vraiment beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Et ce qui a instauré chez eux, ce n'est pas une intelligence en tant que telle, mais c'est un automatisme qu'il faut mm. installer chez eux pour que tout soit automatique. Maintenant, à l'âge adulte, cet automatisme-là peut leur permettre, en tout cas, d'assurer l'essentiel de leur existence vitale. Mm-hmm. Donc, il faut installer cet automatisme. Ça veut dire que la rééducation, ça doit être continuelle, toujours renforcée. Mhm. Et en fonction des objectifs de chaque parent, parce que nous nous demandons quel est l'objectif des parents. Par exemple, je peux demander à la présidente Hassia, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans l'avenir Ah, je veux qu'elle fasse la couture. Alors si elle doit faire la couture, ou bien si elle doit faire la cuisine, donc toute la rééducation doit se centrer sur l'activité culinaire ou sur la culture. On n'ajoute pas d'autres choses parce mm-hmm. que si on ajoute autre chose, on rend la situation complexe mm-hmm. et on complique l'apprentissage mm-hmm. Donc, on accentue. Et maintenant, pour installer cet automatisme chez elle, que maintenant, elle pouvait tout faire de façon automatique. Parce que c'est des gens qui ne supportent pas aussi leurs erreurs. Quand elles oublient, elles sont traumatisées. Donc on peut l'apprendre quelque chose, maintenant quand elle oublie, là, elle est traumatisée. Donc c'est pourquoi il faut toujours l'accompagner. Et donc la prise en charge doit se faire et avec la contribution des parents et avec la contribution des médecins, parce que c'est des gens qui souvent ils ont des problèmes de santé, ORL, cardiaque. Mm. Donc il faut vraiment nécessairement un accompagnement sur le plan somatique Et il faut aussi des orthophonistes qui vont les aider à articuler les choses. Il faut des kinésithérapeutes, mhm. il faut des assistantes sociaux, des auxiliaires d'éducation, comme on dit, qui peuvent les suivre à tout moment mhm. pour les aider à apprendre des choses. Donc vous voyez, c'est ça qui complique la mhm. prise en charge. C'est coûteux, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience et c'est surtout ce qui manque au niveau même des spécialistes, la patience mhm. et des, parents. Bon, la mère, elle est, moi je dis la mère, elle est obligée de vivre, mhm. mais c'est rare de voir des pères qui sont impliqués dans ça. Hein. Mhm. Oh. donc ça demande en tout cas beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. C'est une activité que quand on ne l'accepte pas, on ne peut pas le faire. Quand on sait pas, quand on n'a pas la conviction de le faire, en tout cas, on ne peut pas aller loin avec ces enfants. C'est tous les trisomiques, ils sont très câlins. C'est des gens qui veulent trop toucher les gens, mm. trop s'approcher. Bon, moi j'ai vu des spécialistes qui disent qu'ils n'aiment pas que les enfants les touchent. Mm. Et du coup, donc, euh, je n'ai pas eu assez, en tout cas, d'associés pour pouvoir travailler. Mm-hmm. Rien que parce qu'ils ne veulent pas que ces enfants-là s'approchent, ça ça... Mm. Bon, vous voyez. Donc, il faut vraiment et beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de, la contribution de plusieurs mhm. disciplines. Et là, vous voyez, il faut vraiment euh, un engagement très fort mhm. d'une main forte. S'il y a vraiment un suivi, euh, ces enfants-là arrivent à être autonomes. Bien sûr. Mhm. Si, en tout cas, le suivi est strict. Dans les pays développés où ils ont compris, c'est pas aujourd'hui, euh, depuis les années 50, ils sont en train de faire des recherches. Et aujourd'hui, partout dans les autres pays, surtout en France, il y a des centres pour ça. Il y a des centres qui sont spécialisés pour ça. Et on arrive à avoir les trisomiques, les autistes, tous arrivent à faire même des conférences souvent mm. pour euh, expliquer leur cas. Donc, c'est possible quand on met en place tout le système pour accompagner l'enfant, en tout cas allant à l'âge adulte, il va avoir en tout cas une grande autonomie qui va la permettre d'aller au marché, de faire le marché, de faire sa cuisine, de venir euh, aider les, parents dans leurs activités et on peut même les engager dans certaines structures mm. parce que tant qu'elles sont accompagnées, elles peuvent tout faire parce qu'ils aiment, ils aiment faire. C'est là leur, leur, point fort. Mm. Ils ont la volonté et ils veulent travailler en équipe. Donc, il suffisait seulement qu'on les accompagne, qu'on accepte leurs erreurs parce qu'il y a une déficience qui est là. Donc, pas forcément qu'ils réussissent partout. Donc, il faut qu'on accepte cela. Et là, ça va leur donner une autonomie, une grande autonomie même. Même maintenant, ici même où il n'y a pas ces centres qui sont là, moi j'ai rencontré des trisomiques qui se débrouillent. Par exemple, au niveau de la pharmacie SOS, mhm. il y a un qui est fréquent là-bas, il est familier avec les gens, il ouvre la porte, il mhm. gagne ses pères. Bon, ça, c'est une sorte de d'autonomisation. Oh, il quitte la maison, il vient, il retourne à la maison. Donc, c'est déjà, si cet enfant-là arrive à être accompagné, ça veut dire qu'il va faire mieux que cela. oui. Madame Amadou Fatiwali, quelle autre appréciation faites-vous de la prise en charge des enfants atteints de la trisomie 21 au Niger L'appréciation que je fais, c'est qu'il n'y a pas une prise en charge réelle de la trisomie 21 au Niger, mm-hmm. ni en faveur des parents, ni en faveur des enfants. Il n'y a pas une synergie entre les médecins et les pédiatres. Donc les enfants sont suivis aux frais des parents. Et maintenant, ce n'est pas tous parents qui peut suivre, qui peut faire la rééducation, même le ah. transport matin et soir, amener l'enfant au, prendre l'enfant au transport. Puisqu'à un certain, un certain âge, tu ne peux pas prendre ton enfant au dos. C'est pas possible. Donc il faut que vraiment le, le déplacement c'est un problème. Mm-hmm. Mm. Alors, euh, comment faut-il améliorer cette prise en charge pour que ces enfants aient une bonne qualité de vie L'amélioration de la prise en charge, il faut une prise en charge adéquate hein, des enfants atteints de la trisomie 21. Mhm. Nous pensons aussi que la création de l'État d'un centre de santé spécialisé de la trisomie, puisque c'est au Niger seulement qu'il n'y a pas ce centre. Hein. Au Mali, il y en a, au Burkina, il y en a. Lomé, il y en a, Ghana, il y en a, ainsi que des programmes de formation du personnel de santé qui vont considérablement améliorer la situation. Alors, euh, quelles sont euh, les actions menées par votre structure euh, pour venir en aide à ces enfants Tout début est difficile. Nous sommes à notre début. Hein. Le lancement de, notre activité, nos activités a été fait le 21 mars 2022, Journée internationale de la trisomie 21. Donc à ce stade, notre parcours, nous avons établi la liste des enfants trisomiques hein, avec lesquels nous sommes rentrés en contact nous réussissons aussi de constater que les parents sont soulagés avec notre structure lors du lancement. Il y a beaucoup de parents qui se sont approchés de nous. Car il n'y a plus de réconfortant que de se confier à quelqu'un qui peut rester à ton écoute, qui peut partager ta douleur. bien ah, sûr. C'est ça. Alors, vous êtes aussi mère euh, d'une fille euh, atteinte de la trisomie 21. Quel type de soutien vous offrez à votre fille pour qu'elle puisse s'épanouir convenablement Bon, la proximité, mhm. les conseils et son éducation puisque, comme l'a dit l'autre spécialiste, elle j'ai eu à l'inscrire dans différentes écoles qu'elle n'arrive pas à l'école mission, au jardin d'enfants école mission. Elle n'arrive pas à suivre. Après, je l'ai inscrite au Pélican. Au Pélican, ça va là-bas, elle arrive à se débrouiller. Mais après, je l'ai inscrite aussi à l'école des. Elle faisait la, qui fait la teinture, qui est face à Yamak. École des métiers d'art. D'art, voilà. Elle a fait une formation de, donc, de teinture elle a eu son attestation. Maintenant, elle peut faire la couture. Monsieur Moussa Abdou, vous êtes euh, psychologue. En décembre 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 21 mars de chaque année la journée internationale de la trisomie 21. Alors, euh, pourquoi l'instauration d'une telle journée L'instauration d'une telle journée parce que eh, au niveau de, la coordination des droits humains, eh, il est dit de prendre en charge aussi bien les personnes normales que les personnes en situation d'handicap. Et là, comme la trisomie 21 fait partie aussi des handicaps, donc en ce moment, et qu'ils ont droit mhm. au bonheur et à la jouissance, mhm. malgré qu'ils sont délaissés par la société. Mhm. Donc ainsi, ils ont été pris en compte pour, en tout cas, pour leur permettre maintenant de jouir. Et cette journée-là, va interpeller tout le monde à se poser des questions sur leur sort, mhm. à se poser des questions sur comment améliorer leur situation. Mhm. Et voilà le sens de la journée. Mhm. Et ceci peut toujours permettre en tout cas d'améliorer leur euh, prise en charge. Alors comment cette journée est célébrée chaque année au Niger Au Niger, à ma connaissance, cette journée n'a jamais été célébrée, si ce n'est pas cette année-là. Hmm. Cette journée n'a jamais été célébrée. Et c'est un handicap qu'on met dans le compte un peu de la maladie mentale. Donc ce qui fait que la journée du 10 octobre qui est destinée donc à la célébration internationale de la maladie hmm, mentale, hmm, donc ça fait, inclut donc tout ce qui y a comme handicap mental. Donc, mais il n'est jamais spécifiquement, jamais, on n'a jamais parlé spécifiquement des enfants déficients mm-hmm. intellectuels. Mm-hmm. Donc on parle toujours globalement. Donc vous voyez, cette année, en tout cas, fort heureusement, une association a pensé à ça, ils ont manifesté. Donc euh, je pense que ça va être une sorte de déclic. Et chaque année, en tout cas, la société va être interpellée. Et je pense que je les encourage à aller dans ce sens. Parce que ça ne sera pas facile. Comme elle l'avait dit, c'est un début. Et compte tenu de nos moyens, compte tenu de certaines difficultés mhm. socio-économiques, on ne peut pas faire une prise en charge holistique, donc globale. Mhm. Il faut forcément aller doucement. Et la première des choses, peut-être moi je souhaiterais, qu'on crée un centre, un centre d'épanouissement où tous ces enfants-là peuvent se retrouver. Parce qu'au moment où les autres sortent pour aller à l'école, mhm. ils sont laissés à la maison. Si les parents doivent aller au travail, c'est des gens qui sont toujours dans une situation d'insécurité. Mhm. On ne peut pas les laisser seuls. Ils peuvent oser sortir, faire des choses mhm. jusqu'à peut-être mettre du feu dans la mhm. maison ou bien vouloir cuisiner. Et puis mhm. avec les cuisinières qui sont là, ce n'est pas si facile. Mhm. Donc, ils constituent un danger pour eux-mêmes. Ce qui fait que les laisser seuls ne serait pas une bonne chose. Donc, d'abord, on part à la création d'un centre d'épanouissement. Ceux qui peuvent, parce que parmi eux, il y a ceux qui ont une déficience légère, il y a ceux qui ont des déficiences profondes. Maintenant, ceux qui ont une déficience légère peuvent apprendre beaucoup de choses. Donc, dans ce même centre, on peut créer des ateliers d'apprentissage en les accompagnant, ça peut marcher à moindre coût. Là, on n'a même pas besoin de beaucoup de coûts. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Avec le peu d'investissement, avec la volonté des parents et de la société, en tout cas, ceux-ci peuvent se faire. Donc, je pense que cette association-là doit aller au devant de l'État. Créez votre structure d'abord et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire tant que vous vous engagez. Et maintenant, avec le temps, la santé va s'impliquer. Parce que plus on en parle, plus les gens vont faire des recherches. Et dans le cadre de leurs recherches, ils seront obligés de s'approcher du centre et ils seront obligés de contribuer. Sinon, dans les autres pays, c'est les universités qui font des centres comme ça pour pouvoir... Euh, mais malheureusement, ici, oui. oui normalement, l'université doit faire un centre de prise en charge pour la formation des psychologues, pour la formation des, des médecins, aussi des pédiatres tout ça là, ça peut vraiment être intéressant. Mais pour le moment, en tout cas, c'est le centre, un centre d'épanouissement qu'il leur faut, on pouvait les regrouper au moins trois ou deux fois par semaine. Mhm. Là, c'est faisable, à moindre coût. Mhm. Alors, la troisième et dernière partie du forum porte sur les mesures préventives. Maman Mbashira, peut-on prévenir la trisomie 21 La trisomie 21, je l'ai expliqué, c'est une erreur génétique. Dire prévenir la trisomie 21, non. Parce que c'est l'ADN, c'est l'ADN qui se réplique et il peut y avoir des erreurs de réplication mhm. et une insertion d'un troisième chromosome et dans le numéro 21. Mhm. Donc euh, sur le plan préventif, je dirais non. Mhm. Mais il y a des tests dont je parlais qu'on peut ah. effectuer pendant la grossesse. Ces différents tests-là permettent de détecter s'il y a des anomalies ou des malformations associées. Parce que la majorité des enfants trisomiques, naissent avec d'autres anomalies ou d'autres malformations ah. associées à cette trisomie 21. Donc l'intérêt des différents tests avant la naissance, c'est en tout cas de pour détester, pour détecter mm. ces différentes euh, anomalies associées. Mm-hmm. C'est pour ça même dans le cadre de la prise en charge, Madame la présidente, elle l'a dit, mm-hmm. elle passe de médecin à médecin. C'est parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Il faut voir le pédiatre, il faut voir l'orthopédiste, il faut voir chacun à ce qui l'ont concerne pour détecter une anomalie ou confirmer qu'il n'existe pas d'anomalie. Madame Amadou Fatiwali, la société euh, et surtout euh, certains parents pensent que cette anomalie est une malédiction. Alors, euh, comment les amener à bien comprendre le handicap de leur enfant Il faudra les sensibiliser. Il faudra sensibiliser les parents, sensibiliser les corps enseignants sur la pédagogie à appliquer aux enfants trisomiques pour leur mhm. permettre de faciliter la cohabitation avec les autres mhm. enfants, surtout dans les établissements. On refoule les enfants, carrément on les refoule. C'est pas bon. Mettez-vous en tête que par exemple, un enfant qui le, premier enfant est trisomique. Mhm. Ses frères et sœurs qui sont, ses petits frères, mhm. partent à l'école, comme l'a dit, ils partent à l'école, ils le laissent à la maison. Et chaque fois, les enfants là se plaignent que chaque fois, ils veulent aller à l'école. Même la dernière fois quand on a tenu notre lancement, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école. Au moins, il leur faut un centre. Il y a des centres de la, contre la drépanogitaire, contre le, pour le sida. Mais on doit le faire aussi un centre de la trisomie 21. L'État doit faire ça. Hein? C'est comme ça. Vraiment, il faut une sensibilisation. Il y a même certains parents même qui refusent de connaître, euh, que c'est une maladie. Donc, il faut sensibiliser les parents, sensibiliser les, le corps enseignant hein, pour que on a tous ces enfants-là. Moussa Abdou, vous êtes euh, psychologue. Quel euh, conseil euh, pour une meilleure prise en charge des enfants souffrant de la trisomie 21 Le conseil d'abord à l'endroit des parents, c'est de veiller, d'accompagner l'enfant et en fonction des objectifs, de ce qu'on veut que l'enfant fasse dans l'avenir. Donc, il faudrait l'accompagner dans ce sens. Donc, il y a une petite activité qu'on pouvait faire dès la maison euh, les activités culinaires, mhm. les cives, prendre soin de la maison. Donc déjà, si l'enfant est impliqué dans ces activités, mhm. il va se sentir utile. Et mhm. de là, il ne va pas avoir le complexe là. Par exemple, même le fait de ne pas aller à l'école, si elle reste à la maison, si on lui fait savoir que c'est toi qui dois préparer tout avant que tes soeurs ne viennent pas, c'est toi qui dois t'occuper de leur manger, de leur... Il va se sentir utile. Et dans ce sens, il va vouloir avancer et chercher à faire beaucoup d'activités. Donc, aux parents d'abord de les impliquer fortement dans les activités et de ne pas voir que même si elles sont, ils se disent qu'ils sont fatigués, il ne faut pas les laisser, il faut continuer parce que même à force de travailler physiquement, mhm. ça peut augmenter un peu de tonus à leurs muscles. Donc l'activité physique est déjà là et il y a quelque chose que on néglige ici l'activité sportive. C'est aussi très important pour eux. Donc, il faudrait, et je pense que tout récemment, il y a un docteur qui a soutenu sur ça. Donc, si vous vous approchez, l'association s'approche de lui, donc vous allez faire des séances d'activité physique pour ces enfants. Donc, cela serait très important pour eux. Maintenant, à l'endroit de l'État, tant que l'État ne s'implique pas, en tout cas pour créer ne serait-ce qu'un centre national ou un centre dans chaque, chaque région, il serait en tout cas difficile de leur rendre leurs droits, de les mettre dans leurs droits, de les permettre de s'épanouir et de les impliquer dans les activités euh, sociales. Hum. Donc il faudrait forcément qu'il y ait création de ces centres dans chaque région. Maintenant, au niveau des hôpitaux aussi, si on ne peut pas créer un hôpital spécifique pour ces enfants, il est important, en tout cas au niveau de chaque hôpital, de créer au moins une petite structure qui va les prendre. au niveau social, il faudrait aussi que tout le monde s'implique et à travers euh, la sensibilisation, il faut qu'on se démarque de cette interprétation que c'est une malédiction, que c'est un sort qui est jeté, pour qu'on puisse les accepter et que tout le monde puisse travailler avec eux. Parce qu'ils ont vraiment un point fort la sociabilité. Mm. nous sommes donc à la fin. Nous sommes au terme euh, de ce forum euh, du studio Kalongu sur les enfants atteints de la trisomie 21, quelle prise en charge. Vous avez suivi l'intervention de nos invités sur cette thématique. Ces enfants atteints de la trisomie 21 avec un suivi adéquat peuvent aussi jouir de leurs droits tels que le droit à l'éducation, le droit à des soins de santé, l'implication de tous euh, est nécessaire, l'implication des parents et aussi euh, de l'État pour euh, soutenir donc ces enfants. Nous étions en compagnie de Madame Amadou Fati Wali, présidente de l'association Vivre avec la trisomie. Madame Amadou Wali est aussi mère d'une enfant atteinte de la trisomie 21. Maman Bachir, médecin, est donc euh, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS et Moussa Abdou, euh, psychologue. Merci à nos invités d'avoir euh, répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la réalisation Seini Isaka et la technique Mustafa Ayouba. Merci. Le programme continue sous le studio Kalong.